et tout cela est possible grâce à la volonté à son courage à une femme que je voudrais qu'on applaudisse très fort Madame Gomis c'est une battante elle est courageuse mais aussi son amour sans fin aux enfants avant d'être directrice aussi de bëgg Khalé Top, le Le témoignage

Voilà, merci beaucoup les enfants. Donc nous allons bientôt donc démarrer cette cérémonie parce que je devais tout d'abord remercier les parents, remercier les enfants, mais aussi remercier nos honorables invités qui sont là parmi nous aujourd'hui. Donc euh, nous allons démarrer avec, euh, bien sûr, un mot de bienvenue. Donc je vais certainement chambouler l'agenda en donnant la parole à madame Gomis pour venir son passer son mot de bienvenue Nous devons tout le programme madame Gomis. Madrissa Rose. Merci beaucoup les enfants, merci. Je remercie tous les parents d'élèves, je remercie les invités aussi particulièrement à M. Sayan, euh, notre, euh, mon ex, je dirais, mais votre bon, supérieur. Je remercie aussi Tonton pour sa présence et Tata Dabalay. Merci beaucoup. Tonton, Monsieur Mbaye, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, euh, je le disais tantôt, j'invite tout simplement les parents à venir soutenir cette école ay xale yu dynamique nous pouvons ñu bëgg mais aussi nous pouvons jàppale donc pour une bonne éducation à vos enfants je vous propose tout simplement l'école que Rose ici à Kamassa. alors sans pour autant tarder nous allons maintenant remettre la parole à une autre grande dame celle-là qui fait la fierté aujourd'hui de cette école celle-là elle s'appelle Madame Aïdara et elle est présidente des parents d'élèves. Madame Aïdara, vous avez la parole. Madame la directrice de Rose, Monsieur le délégué du quartier, ainsi que toute autorités ici présentes, en votre titre et qualité, bonjour. Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de prendre la parole et de parler au nom de tous mes collègues parents d'élèves en tant que représentant. Permettez-moi de souhaiter d'abord la bienvenue à tous nos invités, aussi bien locaux qu'administrateurs. Je magnifie l'initiative de cette fête de fin d'année qui en quelque sorte permet une évaluation par rapport à l'apprentissage de nos enfants. Je ne saurais terminer pour autant remercier, voire féliciter toute la communauté parentale qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. J'adresse également mes remerciements à Madame Gomis ainsi que tout son personnel de l'importance et de l'intérêt qu'il porte à nos enfants. Un intérêt qui, au-delà, a un aspect éducatif. En ces propos, je vous souhaite une bonne fête. Merci beaucoup. Qui, n'est-ce pas, de par sa gentillesse, de par sa générosité, n'a ménagé aucun effort pour accompagner cette école, mais aussi pour accompagner Mme euh, Madame Celui-là, il s'appelle Monsieur Sagnan, l'ancien directeur de Kojak. Monsieur Seigneur, à vous la parole. Euh, merci beaucoup. Baye. Chers parents et très chers invités qui, sont ici, pour moi, c'est un, immense plaisir, un grand honneur de prendre la parole ici. Je ne vais pas être long parce que je suis venu avec un ami et frère. Je ne me considère pas comme un invité, mais comme un membre à part entière de cet établissement. Donc, euh, je pense que ce n'est pas la peine de vous remercier parce que tout ce que j'ai pu faire, je l'ai fait avec un grand cœur et avec tout le naturel du monde. Donc, M. Maï, merci à vous aussi pour votre participation parce que Comment vous procédez par, rapport à votre présence ici. Je voulais juste dire deux mots. C'est des mots d'encouragement. Je remercie d'abord pour la confiance que vous porte. Ma chère amie, Madame Gomis. C'est vrai que j'ai été son directeur, mais au-delà du rapport de travail qui nous a unis, aujourd'hui on a pu développer une vraie, une, relation d'amitié et même des liens de parenté. Et tout ça, c'est grâce à sa gentillesse et sa simplicité. Donc, je voudrais juste la remercier et l'encourager à persévérer dans le sens du travail qu'elle a entrepris pour témoigner ici devant tout le monde que c'est quelqu'un de très très courageux qui aime son travail et pendant trop de temps que j'ai pu passer avec elle, j'ai pu réaliser et mesurer la dimension de l'amour qu'elle avait pour le travail et pour les enfants. Et ça, ça ne m'étonne pas. Donc, euh, Madame Gomis, sache que seul le travail paye et il faut juste avoir de l'abnégation, la volonté de l'amour et ça, vous l'avez. Donc, tout ce qui reste, c'est que Dieu vous dise, on va prier pour que Dieu lui accorde une longue vie et la santé. Et je suis sûr, à la longue, elle arrivera là où elle va aller. Donc euh, voilà, je ne veux pas être long, c'est juste des mots d'encouragement à l'endroit de Mme Gomis que je remercie et félicite encore une fois pour le courage et la volonté de notre peuple. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, je vais encore remettre la parole à un autre. Celui-là, je sais très bien qu'il fait la fierté de toute une association, mais de tout un peuple aussi, parce qu'il a comme vocation fondamentale améliorer les conditions de vie des populations.

parce que loolu dañ ko dund ak moom xëy na di ko gën a ñaax parce que mi ngi ci yoon bi sax di wax ne liggéey bi nga xam ne moom lay liggéey ci xale yi yombul waaye pour mu réussir ci loolu foog parents d'élèves bi aussi jàppale ko foog koñ bi aussi jàppale ko parce que tey aussi dara gënul neex tey ku yore say xale

bëgg-bëgg bi mi ngi waaye il suffit que ngeen accompagner ko tuuti rek fi mu dem ci loolu aussi tamit euh, laay tëjee di wax ne aussi xale yi nga xamee ne ñoom ñoo fi nekk ëllëg yal na leen yàlla def ay mag donc ba yéene bi nga xamee ne xëy na moom lañ am ci ñoom madame Gomis ak staffam ëllëg aussi yal nañu jëriñ ecole bi yal nañu jëriñ seen waajur jëriñ kon bi loolu daal laa amoon mooy yokk monsieur May vraiment di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm D'accord, les D'accord comme ça vous savez papa yi indi a madame Gomis école éducation il dit les il mais aussi comme l'a si bien dit donc monsieur je remercie encore une fois de plus de votre présence M. Sanya, ak euh, il donc le délégué de quartier parce que nous il nous parce que c'est lui qui représente tout l'autorité ici dans ce quartier. Mais malheureusement, il est empêché, ce que m'a dit tout de suite Mme Gomis. Mais nous pouvons saluer, nous saluer aussi notable quartier Biep, nous saluer Imam ak kilifa diine yi kilifa aada yi nekk ci quartier bi yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen gën a tàllal seen loxo te bëgg tamit ñoom it ñu jàpp ci école bi que muy délégué de quartier que muy imam que muy ñu euh, mu tuddati sax ñoom seen kii sax fan la ñu nekk. Euh, les preuves peut-être je ne comprends pas très bien la hiérarchie donc euh, de tout cela mais tout ce que je dirais rek moi képp ku fi tu vas ci nga ni madame parce que voilà une parfaite illustration Quand on chrétienne de par sa religion nga dajale ay

jël leen seen bët yeeg seen nopp yëpp jox ko xale yi wan leen lii madame Gomis def ci seen i doom loolu nag ci nii lañ ciy duggee dañuy ñëw ci benn champ d'accueil champ d'accueil boobu nag ki koy def mooy Fatou Fane ak Khady Ndiaye Fatou Fane Khady waaye tàcc leen waaye yéen ah. voix bi fa muy jóg. chant de bienvenue boo xam ni yéen élèves yi yéen ñëpp koy woy ànd ak Nous allons continuer en donnant la parole. Maintenant, je crois que ce sont des prières catholiques par Tina Diop. Tina Diop. Ouais, Tina Diop. Merci à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. monde, ça c'est...

la tentation, mais délivre volonté. Amen. Ah, je suis très ah, Je Seigneur. dirige prière. Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, quand ton nom soit sanctifié, quand ton règne vienne, quand ton volonté soit faite sur la terre comme Tenez-nous Angélique, notre Père de Jésus, pardonne-nous nos enfants, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas à tentation, mais de nous dira Amen. le Seigneur est avec vous. Amém. en tout cas chers parents les tey xam ngeen di seen doom tey du ñu réer ah ah xam ngeen bu baax fan ngeen dëkk xam ngeen ban école ngeen di jàngee mais aussi xam ngeen kan mooy seen chef de quartier n'est-ce pas kon boog xale yi kon xam ngeen ko buñ leen waxee kay ma may leen dërëm lan ngeen di wax def ngeen ko avec déggu ma de su ma leen waxee kaay ma jëndal leen tàngal lan ngeen di wax suñ leen waxee kaay ma yóbbu leen seen kër lan ngeen di wax suñ leen waxee kaay dem ma jëndal leen si ñoom lan ngeen di wax non non If you're happy and you know, it, If you're happy and you know, it, If you're happy pour que naa su ma fiy ñëw tamit ñu commencé tànt bi fii ba fële lépp nekk ay élèves ak ay parents d'élèves ma bëgg rek vraiment chers parents d'être jàppale madame Gomis bu elle a amour ci li def bëgg na jàppale ay donc le délégué de quartier l'imam l'ensemble des notables vraiment le message est clair na kenn petit ci nekk indi sa doom Bien ko madame Gomis mais c'est vrai il faut qu'on le dise elle est chrétienne bien sûr mais loolu tey feeñul ci xale yi kenn xamewul xale jullit ak xale chrétien donc je crois que loolu am na solo te bëgg naa ngeen tàcc loolu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax parce que tey xale yii tey fi wax di chanter ay prières wala ñu fiy wax ay prières xale yooyu tey ñoo fiy tari alxuraan bu ngoonee incha donc loolu am solo trop trop qui a conservé sa diine te madame Gomis aussi deful dara dara pour yakal xale yi dîner donc lolu c'est à saluer et je voudrais que nous gën ko nous gën ko encourager on va continuer l'animation bi ma voilà je crois que tay dañuy indi une star planétaire très sur le plan national que sur le plan international pour venir accompagner mais aussi aider notre sœur et l'école Père Rose. Chers parents, chers élèves, votre attention, on va faire entrer Joyce sur scène s'il vous plaît. Ce sera tous vos applaudissements. DJ Joyce a encouragé et Rose à venir parce que les gens sont les gens qui sont les gens qui c'est pas évident, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous sommes pour le remettre. Et nous Donc, c'est à encourager. Voilà, nous finissons uniquement pour Pégal euh, Khaled. Ah, je suis là pour vous ngeen jox benn morceau boo xam ne ça parle de l'enfance comme par exemple am na ñoo xamante ne tey dañuy am doom ak nit bàyyi di daw seen responsabilité war a jël seen seen matuwaay yu mat, Topoto seen doom di daw responsabilité voilà c'est une histoire qui me tient à cœur vraiment muy euh, Gadaye le titre c'est Gadaye donc

sai si dom dun na ko dun ko te gi sula wala ka say sayon ta go lo lele ma to hol bi meti ko hol khale bi sama na ja haso lele ma to hol bi meti da ki sula sunyo ala ja